le forum du studio le du studio le forum du studio Kalangu. le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalango sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphanie FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers les réseaux des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozerine, Magaria, Mainensorwa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Chaque année, 100 000 migrants passaient par Agadez. Il n'était que 1500 en novembre dernier. Nous avons donc stoppé ce flux vers la Libye. Nous avons démantelé les réseaux des passeurs, confisqué les véhicules, c'est les propos du président de la République Issouf Mohamedou dans les colonnes du journal du dimanche récemment lors de sa participation au sommet du G7 en Italie. En mars dernier, faisant le bilan sur la loi anti-migration lors de la visite des ministres français et espagnols de l'Intérieur venus parrainer les accords tripartites des polices nationales du Niger, de la France et de l'Espagne sur la lutte contre la migration, le ministre de l'Intérieur, Bazou Mohamed, disait, je cite, nous avons pu intercepter jusqu'à 113 véhicules depuis le mois de juillet dernier. Nous avons pu déférer en justice jusqu'à 126 personnes et des milliers d'autres personnes ramenées à Agadez. La loi 3615 a eu son impact en peu de temps. C'est son avis, c'est un avis. D'aucuns diront peut-être l'exact contraire de ce qu'ils ont dit. Alors, pour mieux en savoir, nous avons euh, retenu pour vous le thème de l'impact de la loi contre les migrations régulières et le projet d'accompagnement financé par les fonds fiduciaires de l'Union européenne. Le bilan est-il vraiment satisfaisant Si oui, comment se traduit-il sur le terrain Comment cette loi s'articule-t-elle avec le protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens L'application de la loi contre la migration clandestine euh, en vigueur depuis mai 2016 pénalise principalement les trafiquants des migrants clandestins, communément appelés passeurs, les passeurs qui dénoncent régulièrement le non-respect des promesses faites par les décideurs, à savoir les mesures d'accompagnement devant leur permettre de se reconvertir dans d'autres activités. Pourquoi ces promesses tardent-elles à se concrétiser Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, nos invités nous avons l'honneur de recevoir l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, Raoul Mateus Paula, à ma gauche, Monsieur l'ambassadeur, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. À ma droite, il y a Père Mourou, anthropologue, membre de l'Observatoire des migrants en détresse. Père, merci d'être venu. Merci à vous de l'invitation. Et nous avons Hamidou Nabaran, membre de l'ONG JM2, euh, Jeunesse, Enfance, Migration et Développement. Merci, Monsieur Hamidou. Merci, c'est un plaisir. Et en principe, si les conditions le permettent, nous avons en ligne le maire de la ville d'Agadez, Rissa Feltou. Voilà, pour commencer, je disais en introduction, monsieur l'ambassadeur, je m'adresse surtout à vous parce que c'est la première question. Vous avez entendu les chiffres avancés par le, président de la République tout récemment en Italie. Un peu plus tôt, euh, le ministre de l'Intérieur, vous étiez à la rencontre. Euh, c'est un bilan, en tout cas, si on s'en tient à ces chiffres, la lutte contre la migration est en train de réussir. Vous êtes d'accord avec nous, avec eux Oui, je suis d'accord qu'au Niger, le Niger, comme vous savez, le Niger est un pays de transit pour les migrations donc les Nigériens eux-mêmes, euh, euh, ils, migrent très peu vers l'Europe, hein, donc ils vont vers la Libye, vers l'Algérie, donc c'était et aussi vers la côte. Hein. Mais euh, en tant que pays de transit, je pense que le gouvernement du Niger, du, Niger a pris des mesures pour s'attaquer donc à ces trafics, donc et pour faire appliquer en somme la loi. la loi anti-traite des êtres humains, donc euh, exploitation donc des êtres humains. Donc cette loi existe, elle a été appliquée, elle est appliquée et, il y a des résultats. Donc je pense que vous l'avez dit, euh, il y a une réduction assez drastique. Et alors, je crois qu'il faut quand même. Euh, c'est les chiffres que vous avez, hein, vous-même. oui, parce que j'ai les chiffres du gouvernement, évidemment. Donc, je n'ai pas, <laughs> j'en ai pas d'autres. Bon, évidemment, nous discutons beaucoup avec l'OIM, donc. Vous avez vos chiffres vous aussi, hein. Euh, des chiffres. Et euh, évidemment, maintenant, il faut voir un petit peu parce que le nombre de migrants arrivant en Italie continue d'être assez substantiel. Alors, euh, bon, la question qui se pose, est-ce qu'il n'y a pas d'autres routes qui se dessinent de migration par rapport au nombre de migrants qui étaient... Pour vous, les, routes qu'on connaissait avant, euh, là-bas, il n'y a plus de passage Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de, plus de passage, il y a une réduction drastique. Donc, en tout cas, à Agadez, je pense que c'est visible. Donc, j'ai été plusieurs fois à Agadez et j'ai pu voir en principe qu'il y a une diminution drastique donc de la présence. Bon, maintenant, euh, est-ce qu'Agadez est contrôlé Est-ce qu'il y a d'autres routes Parce qu'en tout cas, je crois qu'il va falloir affiner l'analyse et poursuivre un petit peu cette analyse avec les autorités, avec l'OIM, avec euh, les agences spécialisées, évidemment aussi des Nations Unies, pour voir euh, si l'afflux euh, de migrants en Italie, qui, est toujours substantiel, qui est très important, est-ce que c'est dû au stock de personnes qui étaient déjà en Libye, un nombre important hein, de mm. migrants Ce qui est sûr, les ghettos sont remplis. Voilà. C'est un fait, ça. J'ai le constaté moi-même. à Gadez. les ghettos sont remplis de migrants. Ils sont remplis de migrants. jusque-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Moi, je constate aussi que il y a aussi de plus en plus, on voit aussi un nombre important de migrants qui sont abandonnés par les passeurs dans le dessert, ce qui est une tendance assez inquiétante. Je pense que ce n'est pas vraiment nouveau parce que c'était le cas et malheureusement c'est un vrai un drame humain donc qui m'inquiète beaucoup euh, parce que euh, il y a beaucoup de morts. Euh, on connaît les chiffres de la Méditerranée, mais malheureusement il y a beaucoup de morts dans l'anonymat. On, en parlera tout à l'heure. Le temps de donner la parole à Père Mourou, est anthropologue et puis aussi membre de l'association Migrants en détresse. Vous avez eu les chiffres du, président de la République, et un peu plus tôt du ministre de l'Intérieur. Quel commentaire La lutte est en train de réussir à travers la loi anti-migration Mais qui gagne dans cette opération Moi, je pense que dans toute cette opération, il n'y a que des perdants. D'abord, comme dans toute guerre, le premier perdant est la vérité. C'est où la vérité Et pourquoi pendant toutes ces années, eh, l'objectif a été celui de criminaliser les migrants c'est devenu eh, un délit, migrer. On a construit ça pendant des années, et pas seulement ici. Et l'Occident, l'Europe, a une grave responsabilité vis-à-vis -vis de ça. Nous, on est en train de prendre comme un acquis qu'il faut barrer les routes. On fait un discours qui met les migrants légaux irrégulier, clandestin, mais qui a le droit de définir tout ça Quel type de monde voulons-nous Voilà la question que l'immigration nous pose. C'est un monde où peu ont beaucoup et beaucoup ont peu. C'est ce monde-là que nous voulons, où il suffit de naître. Ici, alors on vit moins, on n'a pas d'école, on n'a pas de santé. Ça, c'est le contexte, Père Moreau dans le cas qui nous concerne, les chiffres dont on a parlé. Oui, je dis que les chiffres font partie de ce grand mensonge. Parce que chacun utilise les chiffres selon son gré. Moi, j'ai vu même encore récemment qu'on parlait des 300 000. Or, on passe de 100 000 à 300 000, mais c'est un balai des chiffres. Alors, les chiffres, pour moi, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est les personnes qui sont là, pas les chiffres. Parce que les chiffres sont évidemment manipulables à tout gré selon d'où on regarde dans le monde. Mais qui croit dans les chiffres Vous, vous n'y croyez pas. Moi, je ne, pas seulement je ne crois pas dans les chiffres. Moi, je conteste les chiffres, dans la mesure où elles ne répondent pas à la vérité des faits, qu'on ne saura jamais. Les migrants nous questionnent sur les frontières sur lesquelles on est en train de bâtir des politiques et des intérêts colossaux, nous questionnent sur les murs. On pense 18 000 kilomètres de murs, selon notre anthropologue agir, et ça ne diminue pas. On manipule les paroles. Pourquoi on a, vous vous adressez à qui On a eu le droit de définir illégaux et sera passé encore récemment, pas seulement de la part de notre président ici, qui a bien marié et s'est jamais intéressé des migrations. Ça fait quand même six ans que je suis là. Il vient d'Ottawa, qui est une des zones parmi les plus affectées par l'immigration. migrations. On n'en a jamais parlé à ma connaissance. Or, l'année passée, dans le discours, c'est pas ça qu'il a fait pour l'indépendance, il a parlé d'immigration comme un grave problème. C'est un grave problème parce qu'il y a l'argent derrière. Ça, c'est le vrai problème que nous ayons, que nous devrions avoir le courage d'aborder, y compris le nouveau ambassadeur italien, Principe. Et le 2 juin, c'était la fête de, la République de mon pays. Ah, c'est les questions qui interpellent euh, peut-être l'ambassadeur. Voilà. Et il a parlé justement, et je termine, il a parlé lui aussi il vient d'arriver, hein, et il parle gérer les flux migratoires irréguliers. Mais qui est lui pour définir qui sont les flux irréguliers Mais d'abord, il est hôte dans ce pays. Alors moi je dis, quel est le droit de la part de quelqu'un qui vient ici comme étranger, y compris l'Union européenne, de décider les politiques d'un pays et d'une région c'est une question, on, va la poser à l'ambassadeur qui est là. Mais en attendant, on va donner la parole à Amidou. Amédou, vu qu'il y a jeunesse, migrants, développement, oui. les chiffres, quel commentaire euh, Ça a baissé, la migration, le flux en tout cas a baissé, si on en croit les chiffres officiels. Pour les chiffres, chaque structure a ses mécanismes de collecte de l'information, bon, qui peut avoir ses insuffisances sur lesquelles euh, peut-être l'objectif n'est pas ici de, de revenir. Hum, j'étais récemment à Agadez et on constate effectivement qu'il y a une euh, réduction du transit des, des, des migrants. Euh, L'ambassadeur l'a rappelé, le Niger est principalement un pays de transit pour ce qui concerne ces, ces taxes d'Agadez, qui va principalement vers la Libye et, et l'Algérie. Il faut le rappeler, donc en 2010 il y avait une loi sur, euh, et une ordonnance sur la traite des personnes, et en 2015, une loi sur le, sur le trafic des migrants. C'est l'aspect droit. L'aspect droit à la fois droit euh, des migrants, mais aussi des, des populations locales parce que euh, il y a une sorte d'amalgame qu'on a constaté en ce qui concerne le transport à Agadez. Donc, euh, y compris le transport normal, le gars qui prend des gens pour les amener à Bilma, pour les amener à Durkou, pour les amener à Arlit, qui sont des espaces quand même euh, nigériens. Et donc, il y a une sorte d'amalgame entre tous ceux qui quittent Agadez vers la direction de la Libye, ouvert la direction de l'Algérie à les considérer euh, euh, comme euh, des trafiquants de, de, migrants. Donc ça, c'est un amalgame, à mon avis, qu'il faut relever. L'autre chose, Agadez, pendant longtemps, c'est le tourisme qui faisait vivre la ville d'Agadez. Mais les plaçants eux-mêmes vous disent que depuis que le tourisme s'est arrêté, c'est la migration quand mm, même qui a pris le relais. les flux continuent, mais pas comme avant. Euh, parce qu'avant, il suffit d'être à Agadez, c'est perceptible, vous allez voir partout les véhicules qui passent quand même avec les migrants, il y a les ghettos, etc., etc., qui sont ouverts. Mm. Maintenant, c'est moins visible dans la ville d'Agadez et il est évident aussi que euh, quand on voit les chiffres, euh, ou disons ce qui s'est dit sur la Libye, que l'arrivée quand même des subsahariens continue. Donc peut-être que, en fait, si le Niger a durci le temps, il pourrait y avoir d'autres pays aussi qui deviennent un peu le, relais, ou alors à l'intérieur même du Niger, il y aurait d'autres euh, voies qui se dessinent. Monsieur l'ambassadeur, vous avez été <laughs> interpellé hein, mhm. pratiquement par euh, Père Mourou euh, sur la criminalisation entre toutes les insuffisances de la loi, la grave responsabilité que ça porte, le droit aux migrants qui est piétiné. D'abord, je vais dire que j'ai un grand respect pour le travail de Père Moreau, donc je pense que euh, je pense que c'est un grand humaniste et il parle comme un humaniste, donc il est confronté à ces réalités. Donc ça, c'est ma première remarque. un deuxième lieu, euh, je voudrais réagir parce que pour nous, très honnêtement, il n'est pas question de criminaliser les migrants. Donc les migrants ne sont pas criminels. Donc ils ne vont pas en prison. Ils ne sont pas criminels. C'est les trafiquants qui sont criminalisés. C'est des êtres humains et qui aspirent à une vie meilleure, donc, euh, et qui font un périple, une vraie odyssée. Ils ont des histoires incroyables. J'ai eu l'occasion de, de, parler beaucoup avec des migrants parce que j'étais plusieurs fois à l'EIM, au centre d'Agadez. Euh, c'est chaque fois extrêmement émouvant parce que chaque migrant raconte son histoire. Ils veulent tous parler. Et je peux vous dire que, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, c'est plutôt ceux qui étaient de retour et qui voulaient être rapatriés. Et il raconte des histoires horribles, vraiment, des souffrances en Libye. Euh, vous savez, c'est inimaginable. J'ai eu un migrant, un jeune Sénégalais, un type euh, d'une intelligence remarquable, donc un leader en fait. Hein. Donc il, il voulait parler. Et je peux vous dire que j'étais accompagné par le directeur général de l'OIM qui était là, donc M. Swin, à Agadez. J'étais accompagné par le ministre des Maliens à l'étranger. Il y avait l'ambassadeur du Sénégal qui était là aussi. Nous avions ces discussions parce qu'il y avait beaucoup de Maliens qui étaient là et beaucoup de Sénégalais. Et ils étaient émus de voir ces souffrances de leurs compatriotes et qui demandaient vraiment à être rapatriés. Et ce jeune Sénégalais, il nous racontait qu'il a été abandonné. Il était avec des anglophones. Ils étaient ensemble et les passeurs lui ont dit on va revenir. Ils les ont laissés là. Et là, il a raconté vraiment comment les anglophones étaient convaincus que les passerelles allaient revenir. Ils ont cru à la bonne foi. Ils ont dit on va revenir. Et il y a eu vraiment une discussion. Lui, il a compris que non, qu'ils n'allaient pas revenir, qu'ils étaient abandonnés. Les autres n'avaient pas compris ça. Donc vous, mettez beaucoup plus en avant ces souffrances. Hein ces souffrances, parce que c'est quelque chose de terrible. Et moi, vraiment, je vais vous dire très sincèrement, il y a le volet sécurité et il y a le volet développement l'Union européenne s'est engagée, donc, et je voudrais en parler, parler un peu de ça, mm. à donner des alternatives. Honnêtement, les vrais criminels, c'est les passeurs. Et moi, les gens qui abandonnent les gens dans le désert ont du sang dans les mains. Et il faut les réprimer. Donc, moi, je n'ai aucune pitié pour ces gens. Il faut les réprimer parce qu'ils ont beaucoup de sang dans leur, dans leur conscience. Et il faut vraiment leur faire savoir ça. Voilà. vous avez la réponse ça ne touche pas en réalité la politique qui a été menée par l'Europe depuis une vingtaine d'années au moins, sinon plus, et qui consiste fondamentalement à externaliser les frontières de l'Europe. On a eu des accords à Rabat en 2006, puis on a eu à Rome avec le fameux accord de Khartoum, et puis nous avons eu la Valette, en 2015. Encore récemment, toi-même, tu as fait allusion euh, à l'Italie, à Taormine, où il y a eu, mais encore maintenant, la préparation du G20, où on a invité quelques beaux pays africains. Mais lisons ça avec des yeux objectifs. On ne voit que cette tentative d'externalisation et donc de contrôle de ce phénomène qu'est l'émigration et qui ne peut ne pas amener à ce que nous étions en train de, de dénoncer maintenant. Nous sommes en train d'assister à la conséquence des politiques qui ont des racines très profondes. Et on peut ajouter aussi qu'à côté de cela, il y a quand même des politiques économiques qui sont derrière. On a démantelé fondamentalement la pêche en Afrique occidentale, où on a pu acheter les droits de pêche. On a démantelé dans l'ensemble l'agriculture familiale. Alors, au-delà de la bonne volonté de l'individu, que moi je ne veux pas mettre en discussion, évidemment, et, mais au fond, il faut que nous soyons capables de démasquer ce type-là de politique et qui continue. Il suffit de regarder les accords que l'Europe fait avec les pays africains, que ce soit en général ou bien à niveau bilatéral. On met toujours comme condition la réadmission, qu'on freine à tout prix la migration. C'est dans tous les, accords qu'on fait, économiques. Alors, et tant qu'on ne fait pas un discours politique et on se borne à faire un discours simplement humanitaire, on est en train de trahir la cause des migrations. Ben, il suffit de regretter ce que, d'abord, la Déclaration universelle des droits de l'homme, que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Ça, c'est le préambule. Et puis, si on arrive à l'article fameux 13, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Alors, de Médemian. Ce n'est pas le cas. Est-ce que nous, on respecte ça D'accord. C'est une question. Euh, Amidou, moi, je, voudrais je lier cette euh, loi mm-hmm. anti-immigration surtout avec euh, euh, le protocole de la CDAO sur la libre circulation des, biens et des personnes. Est-ce que euh, il y, a beaucoup de commentaires sur ça. Je, je, commence par appuyer un peu ce que euh, le père Mauro a dit quand même. le fait que aujourd'hui les drames, que ce soit dans le Sahara ou en Méditerranée, est en partie lié quand même aux mesures policières, aux mesures strictes qui sont adoptées de part et d'autre pour contrer la migration. Donc plus on ferme les frontières, plus les migrants prennent des risques et plus nous avons plus de drames enregistrés. Voilà, et donc euh, ce qu'il faut euh, dire aussi au Niger, c'est que l'application de la loi aussi pourrait augmenter ces risques pour les migrants. Donc euh, les mesures pourraient pousser les migrants à prendre plus de risques et donc produire l'effet contraire de ce qu'on prévoit, parce qu'on prévoit quand même. de, lutter contre les trafiquants parce qu'ils mettent en danger la vie des migrants. Mais de l'autre côté aussi, quand il y a un ensemble de mesures qui empêchent carrément les départs des gens, ça crée plus le marché pour ces trafiquants-là. Et donc, ça exposerait plus les migrants au risque. Au niveau de la CEDAO, les cinq principaux droits des citoyens de la, de la CEDAO, on parle même du citoyen, c'est plus poussé, c'est une communauté plus poussée. C'est le droit d'entrée, les droits de séjour, les droits d'établissement. Dans tous les pays membres de la CEDAO, dans tous les 15 pays membres de la CEDAO, y compris le Niger donc. Alors, effectivement, il y a un risque d'avoir des atteintes à ces droits-là. Même euh, pour les nationaux, comme je l'ai dit, le fait qu'à partir d'Agadez, il devient plus difficile d'aller à Arlit, plus difficile d'aller à Bilma, plus difficile d'aller à Dirkou, qui sont des villes nigériennes. À ce moment-là, on peut parler justement de l'atteinte aux droits à la libre circulation pour les nationaux et même pour les ressortissants de la CEDAO. Monsieur l'ambassadeur, on va clore ce premier point, euh, mais quand même, je voudrais poser quelles sont les insuffisances que vous avez constatées dans cette loi Permettez-moi de vous dire que euh, l'Union européenne n'a été nullement impliquée donc, dans la préparation de cette loi hein, du Niger. C'était un acte totalement souverain. Le Niger a, a, légiféré, donc. Euh, Pourtant, vous les accompagnez Nous ne nous avons absolument pas accompagné. Donc, cette loi donc, a été faite alors, nous, ce qu'on accompagne, je vais vous expliquer. C'est nous ce que l'Union européenne accompagne. C'est, vous savez, l'Union européenne est le premier partenaire du Niger. Et depuis toujours, depuis longtemps, on soutient l'état de droit et la justice. Et dans le cadre de la justice, à titre d'exemple, bien sûr, donc, euh, euh, nous, avons, nous avions un gros programme qui s'appelle euh, PAGED, donc de soutien, donc, euh, euh, à la mise en place de tribunaux, donc de cours, formation de magistrats, euh, etc. Il y a un autre programme maintenant qui revient, qui a pris le relais de ce programme, qui est le programme Ajusen, euh, qui poursuit un peu même, le même travail. Et le gouvernement nigérien a créé une agence nationale contre la traite des êtres humains. Et cette agence existe, donc elle se met en place, elle fait son travail. Et Effectivement, donc euh, je crois que là-dessus, donc euh, euh, lorsque le Niger met en place des mesures pour appliquer la loi, bien évidemment, ça doit respecter, donc un, Niger est un état de droit, ça doit respecter les, les, droits de l'homme, les droits humains, et donc et respecter les procédures judiciaires. C'est le cas aussi C'est le cas Moi, je, je n'ai pas d'éléments contraires. Je pense qu'évidemment, J'entends que parfois il y a des abus, euh, qu'il y a des... Euh, j'entends ça, évidemment, parce que je lis les rapports et, et permettez-moi, donc j'ai un grand respect pour le travail des ONG, de la société civile, euh, je, je, voudrais vraiment le dire. Donc nous attendons, et nous, dans notre dialogue politique avec les autorités, nous insistons beaucoup là-dessus. Mais évidemment, nous ne sommes pas responsables. Donc c'est le Niger euh, qui met en place. Je pense que le gouvernement. Père Moreau dira le contraire. Hein. Oui, mais j'ai beaucoup de respect. Beaucoup des questions et... politiques, économiques beaucoup plus. oui, mais ça, c'est un sujet beaucoup plus vaste. Donc, ce que le père Moreau euh, met euh, en perspective, c'est les rapports euh, internationaux, c'est les rapports commerciaux, mondiaux. Bon, évidemment, on peut toujours, euh, on peut toujours réfléchir donc, et souhaiter donc, un monde plus équilibré. je crois qu'on partage. Donc, moi, je personnellement, bon, je suis aussi un grand humaniste et j'aime et, et, l'Afrique je crois en l'avenir de l'Afrique. Et comme le père Moreau, je crois aussi, euh, je, je, plaide aussi en faveur euh, de euh, sur le plan international plus équilibrés et un rôle plus important de l'Afrique et des pays pauvres pour lutter contre la pauvreté. je pense que ça, c'est malheureusement, bon, c'est l'état des rapports de force des relations internationales, mais je peux vous dire, en tout cas, que nous, dans notre travail au quotidien, nous sommes très soucieux et dans nos interventions, par exemple avec l'OIM, nous sommes très soucieux aussi de travailler en amont dans les pays d'origine euh, pour euh, réintégrer, donner une perspective. Et je crois que c'est la responsabilité des pays africains de donner des perspectives de développement. deuxième partie de, cette discussion euh, en ligne, le maire de, de la ville d'Agadez qui nous écoute. Lundi dernier, une rencontre a regroupé les acteurs de la migration d'Agadez et la haute autorité de la consolidation de la paix. Il s'agit en autres de discuter de la répartition des fonds dans le cadre de l'accompagnement des jeunes passeurs qui ont décidé d'abandonner le métier de passeur. Le projet de réinsertion individuelle est de 800 000 francs CFA et celui collectif est de 4 millions de francs CFA. Je vous propose de suivre les explications du président du comité des acteurs de la migration, Bachir Amma. Nous, en tant que comité, si quelqu'un vient, on ne peut pas dire que non. Donc, c'est pas obligé. Celui qui est prêt, et encore, il a besoin de 800 000, ou bien les comité qui, qui ont besoin de 4 millions de faire leur dossier pour déposer. Parce que un seul projet, maintenant, il y a 6 projets. Même, il n'y a aucun, un seul projet qui va venir à Gadez pour financer tous les, acteurs à l'immigration. Donc, c'est obligé, c'est petit à petit. Ceux qui sont prêts, préparer leur dossier pour lui donner, ils préparent leur dossier, ils lui donnent. C'est ça que tu vois, tous ces gens sont venus, ils sont pour, pour préparer leur dossier et collective pour déposer. Il y a une autre réaction à cette rencontre. donc, sur la répartition de ces fonds, il s'agit de Bachir Lamine, qui est un ancien passeur. Il rejette la proposition du projet. De ma part, je ne suis pas totalement d'accord de ce que le carnaval qu'on nous a proposé à, une somme de 800 000 francs, moi par personne. Parce que je suis un coxeur, je connais sur mon activité qu'est-ce que je gagne sur un seul passager. Et ce que à me proposer, parce que je peux avoir maintenant autant d'aujourd'hui si je suis en train de travailler, que même le passager a été venu à un niveau de pour le transport ici Libye à 800 000. Quand le prix d'un passager, je ne peux pas travailler à ce que me dit. Quelqu'un qui gagne 800 000 francs et tu leur proposes à laisser son travail pour retourner à ce qu'on lui donne 800 000 francs par an. Je ne sais pas un projet qui même, le 800 000 c'est un micro projet, c'est pas l'argent liquide. vraiment c'est dommage chez moi, moi je ne fais pas, je n'accepte pas, encore je ne prends pas le salaire. Moi il faut que l'argent, pour que je puisse abandonner cette activité, il faut qu'une somme qui va me suivre à gérer ma vie simplement. Voilà une somme qui va me suffire à gérer ma vie. Monsieur l'ambassadeur, vous venez de suivre un ancien passeur et puis le président du comité. En tout cas, les avis divergent sur la répartition des fonds. Vous savez qu'il y a tout un volet de développement qui a été préparé donc, euh, depuis un certain temps par l'Union européenne dans la région d'Agadez. Certains projets sont des projets de développement qui prennent bien sûr du temps, qui ont dû mûrir, donc recrutement des assistances techniques, préparation des infrastructures, etc. Et je peux vous dire, donc j'étais récemment à Agadez et je suis vraiment heureux de constater qu'il euh, y a un, grand travail euh, qui a mûri et on va commencer à voir les effets. Je vous donne un exemple. Donc il y a un projet de formation professionnelle euh, qui est mis en œuvre par l'agence luxembourgeoise LuxDev sur financement de l'Union européenne. Donc l'objectif, c'est former à peu près 7000 jeunes. Et ça concerne à la fois Agadez et Zander, parce que nos actions sont concentrées à Agadez, Zander et, Etawa globalement. Je vais vous donner un exemple. Au Niger, malheureusement, si vous trouvez un corps de métier, vous ne trouvez personne. Ça démarre maintenant ce mois-ci, ces formations, concrètement. Donc, il y a 12 filières différentes, les bureaux, et ce projet sera accompagné par des microfinances pour la réinsertion professionnelle de ces jeunes, pour accompagner les jeunes qui vont être formés. Donc voilà un projet, juste un exemple d'un projet extrêmement important. Il y a, par exemple, une centrale hybride solaire que l'Union européenne va financer à Agadez. Qui est en perspective. Qui est en perspective. Et que j'ai vu le Premier ministre plusieurs fois, je me suis battu pour ce projet. Bien sûr qu'il va falloir un peu de temps, parce que parce que c'est un projet très novateur. On a réussi certains obstacles techniques, donc au niveau du Premier ministre, on a eu des discussions. Maintenant, le projet est sous les rails. Donc, c'est un projet novateur qui a été décidé dans le cadre de la COP 22 et franchement extrêmement important parce que, vous voyez, donc, quelles sont les perspectives d'une région comme Agadez L'agriculture, il y a un potentiel énorme. Mais sans énergie, c'est très difficile d'avoir le stockage. Euh, sans route euh, rurale, c'est très difficile. Un très très gros projet de 67 millions d'euros qui est en cours de préparation avec le ministère de l'Agriculture et qui va avoir un impact énorme. Il y a un projet de la GIZ d'appui aux autorités euh, centrales qui a mûri et qui ah, démarre et puis, un projet à impact rapide, c'est celui-là dont vous parlez avec la haute autorité de consolidation de la paix, qui prévoit un dialogue, un plan de conversion. C'est de ça qu'il s'agit. dont euh, certains disent qu'ils ne sont pas très contents parce que l'argent ne vaut pas. Oui, mais bien euh, sûr, mais, c'est tout à fait normal. Donc moi, ça ne me choque pas du tout parce que vous savez, en, Europe, un trafiquant de cocaïne dans les rues à Paris, etc., et, bien sûr qu'il va gagner beaucoup plus d'argent en vendant de la cocaïne euh, et en vendant de la drogue qu'un travail honnête. C'est évident, c'est d'une évidence. Mais lorsqu'on est criminel, il y a une loi, il faut appliquer la loi. On sait très bien qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés et qui préfèrent le trafic. On sait très bien, je vais vous dire très sincèrement, je profite, je profite de l'antenne pour vous dire, pour passer un message très clair il y a des gens qui ne sont pas intéressés par le développement, qui veulent le statu quo et qui veulent parce que le trafic de drogue, le trafic des migrants, le trafic des armes, le trafic du terrain rapporte beaucoup d'argent. On va écouter le maire de la ville d'Agadez qui nous suit en ligne. Oui, vous avez suivi euh, l'ambassadeur, le chef de délégation de l'Union européenne euh, sur l'enveloppe euh, qui a été dégagée pour accompagner le Niger, notamment la, la région d'Agadez. C'est beaucoup de projets. un moment, vous avez dénoncé. Est-ce que maintenant, vous comprenez effectivement la volonté de l'Union européenne d'accompagner le Niger, et notamment la région d'Agadez oui, je pense que effectivement au passage, je salue Monsieur l'ambassadeur et bien sûr toute l'équipe des Kalangou. Euh, la question de l'immigration pour la région d'Agadez c'est fondamental. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Euh, parce que ça a été quand même euh, une activité économique importante. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu cette loi, donc la loi 36 de 2015. Oui, on en a parlé déjà dans la première partie. effectivement, qui est venue tout remettre en cause. Euh, ce, qui est intéressant, avant, de rentrer dans le détail, c'est par rapport à la réaction du président donc, euh, euh, de, oui, des acteurs de la migration, du comité. Ce qui est important, oui, c'est ça, c'est qu'il y a au, moins, au moins un message d'espoir. Pourquoi un message d'espoir C'est que les gens sont d'accord qu'il y a une loi, ils se mettent, ils se rangent dans l'égalité. C'est ce qui est important pour tous les gens d'Algérie, même si par ailleurs, effectivement, il y a des réticences. Et qu'aujourd'hui, l'attente est importante. Euh, le, temps effectivement de, de, mise en, de mise en marche du programme de l'Union européenne dans le cadre de l'atténuation des, des, défis migratoires ou de la gestion des défis migratoires. Et c'est un temps important pour, euh, pour les gens, effectivement, ils sont impatients. Mais je pense que la mise en place aussi du dialogue, des échanges, des différentes missions qui sont arrivées, aussi bien avec l'Union européenne, avec des, euh, aussi la haute autorité à la consolidation de la paix et la rencontre avec tous les acteurs a pu quand même aplanir un peu un certain nombre euh, d'inquiétudes au niveau d'Agadez. Je mm. pense que euh, au regard de tout ce qui vient d'être énoncé tout à l'heure, comme je l'ai suivi par, par l'ambassadeur de l'Union européenne. Vous avez discuté avec lui aussi. Effectivement, nous l'avons rencontré. Effectivement, il nous a tenu des propos très rassurants. Je pense que depuis, la, la, la, la, conduite, en tout cas, notre position a beaucoup changé parce qu'il y a de l'espoir. Et qu'aujourd'hui, effectivement, il faut avancer. Il y a toujours des difficultés, mm. mais il faut avancer avec ce qu'il y a. Je pense que l'Union européenne a pris des engagements, tout comme le, Niger a pris des engagements importants, énormes et a pu relever beaucoup de défis pour atténuer la migration, pour atténuer les souffrances humaines, il faut le rappeler. Euh, de tous ceux qui sont en train de subir euh, les, candidats de la migration. Oui, donc rassurant, c'est ce qu'il faut retenir. Père vous avez suivi hein, l'ambassadeur, le maire de, la ville d'Agadez qui est beaucoup plus rassuré. À un moment, ils avaient dénoncé certaines situations, ils disaient qu'ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui, ils se disent rassurés. Vous aussi, vous, êtes, euh, vous pensez que c'est des bonnes mesures hein? Je ne suis pas rassuré, je suis confirmé. Confirmé. en quoi je suis confirmé D'abord, quand j'ai écouté les chiffres tout à l'heure, c'est un marchandage. Ça ne fait que confirmer que toute cette opération est un grand marchandage humain. Oui, mais le fait de créer une centrale euh, électrique. Est-ce qu'on a eu besoin de migration pour en arriver à ça Ça, c'est la faillite de la politique. C'est évident. intervenu au Niger. mais non Mais pourquoi vous n'assumez pas vos responsabilités ici Et pourquoi il a fallu qu'il y ait les migrants pour qu'on arrive à ces opérations. Moi, je l'appelle marchandage. Un. Deux, je l'appelle néocolonialisme, tout ce que nous assistons aujourd'hui. C'est quoi le néocolonialisme Néocolonialisme, c'est un nouveau colonialisme, parce que, au fond, qui dicte l'agenda de tous ceux, ce n'est pas ici les locaux, mais ça vient de l'extérieur, complètement. Alors ça, et je termine, c'est une trahison, soit de la politique, soit de la tradition africaine. Moi, je me demande si quelqu'un appelé Antadiope ou bien les grands Africains, qu'est-ce qu'ils diraient de cette, de cette politique que nous vivons aujourd'hui vis-à-vis de l'Afrique De part et d'autre, il, il y, a, beaucoup de mesures qui sont en train d'être, qui sont en train d'être prises effectivement. Mais effectivement, il y avait ces soucis d'adhésion de certaines, de certaines personnes qui se retrouvaient plus dans, dans l'autre, dans l'autre situation. Mais je voulais pas qu'on perde de vue aussi l'approche migration-développement ou euh, sous-développement-migration. Ce qui est bon, euh, la tendance est à dire que c'est le déficit de développement qui est la cause de la migration. Donc vous, vous êtes loin de la question du marchandage dont parle le Père Moreau oui, non, je parle moi de, l'approche qui est mise en avant, c'est-à-dire qu'il faut développer les zones pour arrêter les migrations. Le développement crée même plus, euh, si vous voulez, des, migrations. Donc je pense qu'il faut aller dans le sens du développement, oui, mais il ne faut pas aussi oublier que l'immigration, comme on l'a dit, est un droit et que le développement ne met pas fin à la migration de par euh, l'histoire humaine. Le développement peut même engendrer, si vous voulez, d'autres formes de migration euh, qui pourrait être euh, bénéfiques. Et c'est à ce niveau aussi qu'il faut dire que la migration elle-même contribue au développement des zones de départ, contribue au développement des zones d'accueil. Donc il ne faut pas aussi que dans tous les débats qu'on fait, on cache euh, l'aspect, cet aspect de contribution de la migration au développement, aujourd'hui à Gadez, que ce soit, je, je prends en fait de façon générale le Niger, en 2012, selon une enquête de la BCAO, c'était 43 milliards de francs CFA qui sont transférés par les migrants nigériens qui sont à l'extérieur. Mm, Donc c'est des choses, oui, qui sont des contributions. Et dans certaines régions, cette diaspora crée des infrastructures scolaires, des infrastructures hydrauliques, etc., etc. Donc c'est des choses effectivement, et c'est l'occasion, en tout cas à mon avis, que les, les projets qui sont en train d'être mis en œuvre dans ces espaces-là puissent aussi impliquer même ces migrants-là dans la réalisation d'infrastructures de développement dans les zones de départ. Oui. Euh, monsieur le maire, vous qui êtes en ligne, vous avez suivi ces interventions, vous avez donné en tout cas votre euh, idée de la situation actuelle. La lutte contre la migration avance. Qu'est-ce que vous demandez actuellement au-delà de l'accompagnement pour mieux vous assurer il faut qu'effectivement, ce qui a été demandé, discuté à la dernière rencontre avec euh, tous les acteurs de la migration, que l'Union européenne puisse tenir ses engagements. C'est vrai que nous sommes rassurés, mais ça ne veut pas dire que nous veillons à ce que les engagements soient tenus, parce que nous avons besoin de, créer un cadre aussi rassurant pour toutes les populations, pour tous ceux qui exercent euh, cette activité et qui veulent revenir dans le cadre légal. Euh, avoir une vie sûre, parce que c'est ça la différence en fait. Il ne suffit pas d'aller vouloir gagner beaucoup d'argent en peu de temps, alors qu'on risque sa vie, qu'on risque euh, tout le temps, on est en insécurité, alors que ce que propose l'Union européenne dans un cadre légal discuté et échanger avec les secteur de la migration est beaucoup plus rationnel aujourd'hui. Et Agadez a besoin aussi de se développer. Agadez ne doit pas non plus euh, être juste le point le freinage ou le rideau euh, pour la, migration. Il faut qu'il y ait plus euh, de volonté, il faut qu'il y ait plus de présence effectivement des partenaires euh, nigériens de l'Union européenne aujourd'hui qui, qui veut que cette migration en tout cas soit maîtrisée. Et sa maîtrise, effectivement, c'est le développement, c'est de rassurer la population. D'accord. On revient avec l'ambassadeur. Qu'est-ce qu'il faut pour davantage réussir à endiguer le flux migratoire Ici, la loi met l'accent sur la répression. Moi, je, suis en faveur de l'immigration régulière. Hein. Donc, je pense que ça, je crois que l'immigration est un phénomène qui ne peut pas, qui ne doit pas s'arrêter et qui est, bon, ça fait partie. Donc, depuis toujours, les gens ont aspiré donc à changer. Donc, il donc euh, ce que M. Amidou a dit donc est tout à fait juste. Donc, il y a des elle est bénéfique pour les pays, la migration. Donc l'envoi euh, donc d'argent des migrants, l'euro de la diaspora, tout ça. Il y a des retours de la diaspora aussi dans les pays qui viennent contribuer au développement. C'est des aspects extrêmement positifs. Et je voudrais vous dire, il y a notamment l'enseignement, l'enseignement supérieur, les chercheurs. Donc, vous savez que l'Union européenne a un programme Erasmus Mundus. Je peux vous dire donc que euh, à l'occasion de la fête de l'Europe du 9 mai, nous avons organisé une exposition sous le thème La coopération de l'Union européenne au bénéfice des populations. Et il y avait justement donc un stand sur le programme Erasmus et Campus France. Euh, je suis très heureux parce qu'il y a plusieurs ministres qui ont visité cette exposition. Il y a notamment le ministre de l'enseignement supérieur qui est venu. Il s'est très intéressé. Euh, il, il, a souhaité nous rencontrer. Donc, euh, il, y a une volonté de part et d'autre de stimuler, parce que le Niger peut faire beaucoup mieux dans ses programmes. Donc, envoyer beaucoup plus d'étudiants universitaires, des chercheurs, etc. Et ça, on doit vraiment stimuler. Je crois que c'est important, et un message important aussi, euh, c'est que les migrations euh, sud-sud sont beaucoup plus importantes que les migrations nord-sud. Et je crois qu'il faut insister là-dessus. Franchement, je suis optimiste. Je crois au développement. Je vous dis, l'Afrique est un continent d'avenir, un continent de croissance. Et je pense que si on crée des conditions du développement et l'immigration régulière, circulaire, avec des allers et tout ça me paraît très positif, puisque l'Afrique et l'Europe sont, voisins, sont proches. Donc, euh, la voilà. du développement, Père Il faut que notre regard change sur le monde et sur les autres. Nous tous, nous sommes des migrants. Il ne faut pas l'oublier que la condition humaine est une condition migratoire. Deux, il ne faut pas perdre la mémoire, parce que le continent européen était un continent d'émigration très importante. Il y a eu 50 millions qui sont partis. Comment on peut oublier que nous aussi, nous avons été des peuples dans la migration Alors, l'importance de la mémoire. Et troisième, au lieu de faire des murs, faisons des ponts pour pouvoir unir les peuples, les personnes, au lieu de dépenser à faire des murs, que nous puissions dépenser à faire des ponts. Mais ça, ça commence avant tout dans notre tête. Et il faut changer le regard. Et changer le regard signifie aussi changer les paroles. Parce qu'au fond, qui a le pouvoir sur les paroles a le pouvoir sur la réalité. Qui a le droit de définir quelqu'un irrégulier C'est ça que je dis depuis le début. C'est un abus du point de vue linguistique pourquoi quelqu'un doit être défini irrégulier Nous tous, nous sommes des humains, et en tant que tels, nous avons les mêmes droits et la même dignité. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas, et c'est une trahison de la dignité humaine. Monsieur le maire, quel conseil aux, passeurs ou aux anciens passeurs qui ont décidé de prendre cette enveloppe-là et ceux qui hésitent encore à le faire Non, moi je pense qu'il y, a une approche importante à faire, c'est celle de, euh, d'informer et sensibiliser, de continuer d'informer et sensibiliser les passants, tous ceux qui vivent autour de cette, euh, de cette activité illégale. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la répression est, très forte euh, Il et a des conséquences lourdes sur des familles. Nous avons vu quand même un certain nombre de ces acteurs aujourd'hui qui se retrouvent derrière les barreaux et, avec toutes les conséquences que cela a, autour du de non-respect de, la légalité. Donc il faut que les services publics travaillent avec les, tous les acteurs pour euh, rappeler effectivement les risques qu'ils encourent et que voilà les conséquences de la nouvelle loi et que voilà pourquoi on veut interdire euh, cette activité aujourd'hui euh, qui, les met aussi dans des situations précaires parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit et qu'il faut les accompagner aussi dans le cadre de la mise en place des micro des micro projets pour leur insertion pour leur nouvelle euh, vie dans, dans, un cadre légal et, et où euh, ils pourraient tirer un meilleur bénéfice, un meilleur bénéfice pour eux, pour leur famille, et aussi euh, accompagner aussi euh, des infrastructures socio-économiques dans, dans, ce projet. Nous avons besoin effectivement des routes, des, des, des voies, des cases de santé. La question du développement est essentielle, est importante à mon point de vue aujourd'hui au regard effectivement de la répression que t'impose la loi 63-2015. merci beaucoup, monsieur le maire euh, Amidou Alors, on a parlé de, de, la, répression qui a ses limites. Je disais tout à l'heure également que le développement est important, mais ne limite pas la migration. D'où la nécessité d'aller vers une idée qu'on essaie de promouvoir, je pense que, euh, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur est là. Dans le plan d'action de la Valette, il y a quand même des mesures pour alléger les conditions de la migration régulière. Parce que si on veut arrêter la migration irrégulière, il faut quand même faciliter l'accès aux visas, aux conditions d'entrée et de séjour dans les pays qui sont des pays d'accueil des migrants. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on plaide. Alléger les conditions d'accès. L'autre chose, c'est que dans toutes ces mesures, il faut pas oublier l'aspect droits humains des migrants. Et la dernière chose, il faut éviter l'amalgame qui créent des conséquences euh, plutôt contraires à ce qui sont prévues. Merci. Nous venons de débattre de l'impact de la loi anti-migration au Niger. Euh, comme invité, euh, l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne, Raoul Mateus Paula. Merci une fois de plus. Le maire de la ville d'Agadez, Rissa Feltou, qui était en ligne. Père Moreau, anthropologue, membre de l'Observatoire des migrants en détresse. Et Ahmed Nabaran, membre de l'ONG JIMED, Jeunesse, Enfance, Migration et Développement. Merci d'être venu. Bonne soirée.